Nous sommes lundi 27 novembre 2023. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Fanta Chemsou à mes côtés Samira Roafi. Bonjour Samira, comment tu vas Je vais très bien Fanta et toi ça va Ça va aussi, Alhamdulillah. L'édition est assurée par Adam Adawaki et Rahila Soumana. À la technique, nous avons ce matin Issa Lawali. Super, alors euh, donne-nous le menu d'aujourd'hui. Comme d'habitude, Samira, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec un programme bien garni, en commençant par le flash d'informations. de la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons justice comme tous les lundis et bien évidemment de la bonne musique nigérienne. Notre invité du jour est M. Oumar Moussa Rabiou, le secrétaire général de l'Association nigérienne des débats oratoires et de leadership Andol. Avec lui, nous allons parler de la pratique du débat oratoire à milieu scolaire. Et il y aura aussi du sport, de la culture linguistique en français et en anglais et le loti avec les femmes du studio Kalangu. Nous ferons également un tour en région pour le reportage et nous allons clore avec les messages vocaux de nos auditeurs. Studio tout de suite, euh, le flash avec euh, Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Samira, comment ça va Ça va bien. Bonjour Fanta. Euh, bonjour Rafika. Quelles sont les nouvelles ce matin Alors pour ce matin, une réunion ayant regroupé samedi à Bamako, au Mali, les ministres des Finances et de l'économie des trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES a jeté les bases de l'architecture des futures structures de l'Alliance, annonçant ainsi les couleurs d'une intégration économique et sociale au sein de l'espace communautaire du Liptako gourmand. Pour les trois ministres, cette rencontre est la preuve de la grande résilience des peuples du Sahel confrontés à l'insécurité du fait des attaques terroristes qu'ils condamnent fermement. Ils ont alors formulé des recommandations dont, entre autres, l'accélération de la mise en place de l'architecture juridico-institutionnelle et les mécanismes de financement des instances de l'AES, l'amélioration de la circulation des personnes et des biens, la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement de l'AES. Ensuite, euh, bonne nouvelle pour le Niger, la centrale photovoltaïque 30 MW de Gorubanda a été mise en exploitation. C'est le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Mamman Mustafa Barkire. Barquet, plutôt, qui a procédé le samedi au lancement de la mise en production. Un demi-million de personnes à Niamey seront impactées selon le ministre en charge de l'énergie. D'ores et déjà, une amélioration de la fourniture en électricité est constatée ces derniers jours avec moins de coupures. La centrale est construite sur une superficie de 27 hectares, soit l'équivalent de 50 terrains de football et compte près de 56 000 panneaux solaires. Et enfin, la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles a été lancée ce week-end. Elle est commémorée du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 17 décembre, journée commémorative des droits humains depuis 1991. Les 16 jours d'activisme visent à galvaniser l'engagement individuel et populaire pour la lutte et la prévention des violences à l'égard des femmes et des filles, un fléau mondial affectant une femme sur trois dans sa vie. 4 femmes sur 10, soit 40% en Afrique de l'Ouest et près de 6 femmes sur 9, 65% en Afrique centrale seraient victimes de violences, selon une étude menée par le réseau des femmes élues locales d'Afrique. Selon ONU Femmes, la violence, la violence à l'égard des femmes et des filles reste l'une des violations des droits humains les plus répandues et les plus généralisées dans le monde. C'est tout pour ce flash de ce matin. Merci beaucoup Rafika pour toutes ces informations. Nous poursuivons l'émission avec notre invité nous sommes ce matin avec Oumar Moussa Albiou. Il est le secrétaire général de l'Association nigérienne des débats oratoires et leadership. Bonjour Albiou. Bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Je super bien. Super, euh, merci de nous honorer de votre présence euh, dans cette émission. Alors, avec vous ce matin, nous allons parler du débat oratoire à milieu scolaire. Mais avant de vous donner la parole, écoutons ensemble ce morceau Coco Coq de Sani Abdoulaye. La tonalité que nous sommes en train d'écouter est la version électronique de la chanson Coq de Shaibu Ayaru, une reprise de Maman Sani, le pianiste. Il a découvert l'instrument électronique en 1978. Un ami à lui qui travaillait à la télévision nationale lui a donné l'opportunité de travailler à cette télé pour composer des indicatifs et jungles et par la même occasion s'y produire. C'est ce qui l'a rendu célèbre. C'est aussi à cette période que son premier album est édité en cassette enregistré en deux prises au studio de la Radio Nationale, mais il n'a pas été mais il n'a été publié qu'à une euh, centaine d'exemplaires. Il ne parvient pas à faire publier ses autres enregistrements. Tout en conservant son métier d'origine, il se produit occasionnellement lors d'événements familiaux. Aujourd'hui, l'artiste s'est retranché en campagne où il vit sa retraite. Samira je suis sûre qu'il y a une de ces œuvres qui t'a marqué à l'école primaire, celle qui annonce qu'il est midi par exemple. Ça, tout le monde le sait. C'était là le titre euh, coco euh, Retour au studio avec euh, Monsieur Rabiou. J'espère que vous aussi, vous avez un petit souvenir de cet artiste. Oui, justement. <laughs> Super. Alors, expliquez-nous en quoi consiste la mission de l'Association nigérienne des débats oratoires et de leadership. Alors, merci Samira. Merci à vous aussi, Fanta, surtout pour l'invitation. Mhm. je suis fier aujourd'hui de partager avec vous la mission de l'Association nigérienne des débats oratoires et de leadership qui est l'ANDOL. Donc l'Andol déjà a pour but de promouvoir l'excellence oratoire chez les jeunes, à la culture de l'éducation aussi du leadership. Donc euh, la mission consiste tout simplement à réunir un grand nombre de jeunes scolaires, à les former sur les principes de technique de prise de parole en public et les, faire participer à des compétitions que nous organisons. Euh, depuis la création de l'Andor, ça fait maintenant deux ans de cela, mm. nous avons eu pas mal de compétitions que nous avons organisées et, la prochaine compétition est déjà en cours qui sera bien évidemment la Coupe universitaire de la rhétorique. Mm-hmm. Super. Alors, euh, pourquoi avez-vous euh, estimé d'initier euh, le débat en milieu scolaire Et cela fait combien de temps déjà cela fait presque deux ans maintenant avec l'Andol parce que au début nous faisions nos activités à travers la J2E qui est l'Alliance des jeunes pour un développement endogène à J2E. Mhm. Donc l'Andol est créé par la volonté de la J2E. À l'époque, nous faisions participer des jeunes Nigériens à des compétitions internationales comme la COPAD et la RIDEF. Donc on a décidé de créer une organisation strictement qui fait la promotion de l'art oratoire ici au Niger. Donc au-delà de toutes les activités que nous menons, euh, l'un des principes phares de l'Andol est de former ces jeunes qui ont l'amour de l'art oratoire. nous sommes dans une société, celle qui est dominée par la communication. Il y a des jeunes qui, ont, qui sont amoureux de l'art oratoire. Donc nous, à notre niveau, nous les rapprochons et leur faire savoir en réalité l'importance de l'art oratoire, surtout quand on a une capacité communicationnelle. Justement, et quels sont les avantages que les élèves peuvent tirer de la participation à des débats oratoires à l'école, par exemple Les avantages sont énormes parce que euh, l'un secret pour personne, pour quelqu'un qui parle bien, il y a déjà certaines <coughs> opportunités qui s'ouvrent pour la personne et que maîtriser l'art oratoire donne à la personne sinon la magie de manier la langue de Molière, cela lui procure un certain nombre de, de, davantage, surtout dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Quelqu'un qui parle bien souvent, il est perçu comme en réalité quelqu'un de modèle. Mhm. Et au-delà même de la promotion de ce principe de plus de parole en public que nous faisons à London, nous faisons tout pour que en réalité le participant ou le scolaire en question puisse être doté des valeurs du leadership pour mhm. qu'il soit utile pour sa communauté, sinon au-delà pour soi-même. Alors, que faites-vous pour encourager la participation des élèves et des écoles dans les débats oratoires au Niger Ce que nous faisons surtout de plus, c'est euh, les compétitions que nous organisons. Euh, ces compétitions, euh, c'est dans le but, bien évidemment, d'encourager l'art oratoire au Niger. On a organisé pas mal de compétitions, je viens de les dire tout à l'heure. Récemment, la compétition que nous avons organisée, c'était dénommée l'éloquence avec elle, qui avait la participation strictement des jeunes filles. Donc, nous, nous avions eu l'idée à partir de du principe que bon, les jeunes filles aujourd'hui doivent en réalité s'intéresser à la prise de parole en public. Donc à l'occasion de ce concours-là, nous avions bien évidemment à notre niveau faire la promotion de l'inclusion surtout du genre dans nos activités. Mhm. Donc nous organisons des compétitions, nous organisons des formations à l'endroit de ces jeunes-là pour en réalité les faire doter des principes de prise de parole en public. Et selon ce que vous avez constaté, est-ce que cela les intéresse vraiment Effectivement, oui, parce que surtout quand nous lançons une compétition, nous voyons l'engouement que cela crée et que beaucoup des scolaires, en réalité, nous appellent pour nous dire qu'ils sont intéressés à ce que nous, de ce que nous, nous sommes en train de faire et ils veulent participer à toutes nos compétitions que nous organisons. Et Dieu merci aujourd'hui, à travers les clubs que nous parvions, que nous arrivons à mettre en place dans les différentes écoles, dans les différents instituts et universités, cela crée encore autant d'engouement et intéresse pas mal de scolaires aujourd'hui qui sont avec nous, surtout dans notre organisation. Alors, quels sont les défis auxquels l'association est confrontée dans la promotion du débat oratoire L'un des défis majeurs, il faut le rappeler, c'est aujourd'hui le problème d'accompagnement financier. Aujourd'hui, c'est des activités qui demandent pas mal de moyens, mhm. mais nous arrivons quand même à faire du mieux que nous pouvons avec les moyens de bord. Donc, le premier défi, c'est d'abord l'accompagnement financier qui nous manque. Et le deuxième défi, en réalité, c'est certes nous faisons une communication assez probante pour toucher un grand nombre de personnes, mais il faut encore que nous intensifions cette communication et que les élèves, sinon les scolaires de manière générale, puissent davantage intéresser à nos activités. Donc avant de revenir à cette question, nous allons faire une petite pause musicale et vous laisser souffler. Ça sera avec quoi, Samira Ça sera avec la chanson Zonzormei de Tal National. say gigiyo ga ai ganna kadige yi ganda dare yi ganda ta wanya kangaru zama da satara wangi ko ni ga bai ganda do noga noko ai da satara waga kun da do kurgin war zonginka ai man zambar fo na ga salle masaudu si banda banda ai goga fulan ai kwara fonai son zarbai ka bami ai da tangi ga tojiyo ga son zarbai ka bami ina madanga

da sam kin do girbi gano ayi da sam kin do talla sanalla da yi da sam bo zan zarbai ka ba mi Toma dono kai na te, bayan sai ne na te, fada fada yi sai na te. Banodo naiga koi yantalai zai naiga ce Barhezi Musa naiga ce ai lehezan kai naiga koi ya Barhezi Elo naiga ce Betiya Lidu naiga ce Awa gande naiga ce Fada dimile naiga ye Bunna dimile naiga koi Suma dimile naiga ce Eme dimile naiga ce Wangare naiga ce Totala ibu da gogon babu Totala ibu naiga ce cece zamba naiga ko tonu naiga koi prezi naiga ce gundu muktara naiga ce mala antanta i naiga ce adiza ibu naiga ce zama antanta i ganda bere naiga ye ai zonzor mai gabamni zonzor mai gabamni ai ta tangi ga tokiyo ga zonzor mai gabamni neigiche kadere neigiche liliano kutere neigiye le nouvelle neigiche mercedes o neigiche wana meu neigiche mercedes che saya saya neigo kwen zainabu zaku neigiche transitere neigiche isufu birga neigiche alas isaka neigiche zamarati neigo kwe asantini neigiche zanzarmai ka ba mini zanzarmai ka ba mini ai ta tangi ga tojiyo ga zanzarmai ka ba mini dala tuwa lai dai ga ce rashida dai ga ce kumandan babba dai ga ce latana ali dai ga ce garba dai ga ce gurup ga kuri dai ga koi kuna biba dai ga ce darajantai dai gice ajiya farin la na gice gurupu naisi na gice ayila maryama na amma ban fati alhidu walla da manza na gice polisu okkom sere jamsu walla edamo na gice zizo loga ganda bere sozor mai tabamni sozor mai tabamni ayi tatanjiga tojiyoga sozor gice mai aiga kwaidi helizi na gice gurman cai zo na gice mizi sangai da ga kwai alaji na gice alaji gudan nan na gice guna kargo na gice kargo ganda na nai gudan na ga kwai grup kari na giye guna lenu na gice grup show na ga kwai halima na gice preziki tango na gice mahajin din bai ga sambu ai mo taido dai ga kwe raza kan yandu dai ga ce zanzor mai ka ba mni zanzor mai ka ba mni ai ta tangi ga togiyo ga zanzor mai ka ba mni i love you my baby zanzor mai ka ba mni i need you my baby Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Zonzormain de l'orchestre de la capitale Tal nationale. Ce groupe a révolutionné et modernisé les orchestres au Niger. Aujourd'hui, Tal National n'est plus à présenter au Niger ni dans cette émission du Niger sur Kalangu. L'année dernière déjà, ils ont sorti leur sixième album. C'est vraiment un groupe moderne plein de surprises qu'on suivra toujours de très près. Poursuivons notre échange avec Omar Moussa Rabiou, secrétaire général de l'Association nigérienne des débats oratoires et de leadership Andol. Alors, selon vous, en quoi la pratique du débat oratoire contribue-t-elle au développement du leadership chez les jeunes au Niger euh, merci. Déjà, euh, l'une des pratiques, euh, l'une des qualités, autant pour moi, les plus importantes, sinon recommandées dans, la, le cadre de la culture de leadership chez quelqu'un, c'est d'abord d'avoir une bonne dose de communication. On ne pouvait pas diriger une équipe, une organisation, au-delà d'une structure, sans avoir une bonne dose de communication. Donc nous, à notre niveau, ce que nous faisons en réalité, c'est de doter de ces, pour ces jeunes-là euh, des, formations allant dans le sens de la culture de leur leadership. Souvent, on fait même des exercices de simulation entre eux pour en réalité les initier dans le cadre de la promotion de ce leadership-là est-ce que vous avez euh, des initiatives, est-ce que vous êtes sur une lancée pour euh, intégrer le débat oratoire dans le programme éducatif national Oui, justement, euh, nous sommes dans les démarches. malheureusement, jusque-là, on n'a pas, surtout, avoir un avis favorable et à travers nos moyens de bord, nous faisons en sorte qu'il y ait dans chaque école un club qui fait la promotion mhm. euh, de ce que nous nous faisons. Donc au-delà, ça va nous permettre d'avoir une main forte pour le lobbying en vue d'intégrer les pratiques de débat oratoire dans les programmes éducatifs au Niger. Mhm. Alors, comment mesurez-vous le succès de l'engagement des écoles dans les débats oratoires et quel impact cela a-t-il sur les élèves eux-mêmes moi je dirais qu'elle est excellente et que l'impact que ça suscite surtout au niveau des scolaires, c'est que notre message est en train de passer. Parce qu'aujourd'hui, il y a cet engouement qui est créé par nous au niveau de ces scolaires-là, parce que certes, nous utilisons la communication pour faire la promotion de l'art oratoire, des débats oratoires, et c'est là, moi, je pense que c'est déjà un objectif qui est atteint. Parce que euh, au-delà de ça, notre objectif déjà à l'Andol est de former et initier les jeunes à la culture de la prise de parole en public et, au, du leadership. Et je pense que euh, l'objectif est déjà atteint. Mm. Certes, nous allons encore intensifier davantage pour qu'il y ait plus de participation des jeunes scolaires dans nos activités. Et enfin, quel conseil donneriez-vous aux enseignants et aux élèves qui souhaitent s'impliquer davantage dans le débat orateur en milieu scolaire Moi, je pense que le premier conseil que je m'en vais à prodiguer surtout, c'est d'abord l'auto-formation. Les élèves et les enseignants doivent se former d'abord avant que nous nous intervenons parce que nous, nous n'apprenons pas en fait à la personne de parler. On suppose déjà que la personne sait parler. Donc nous, ce que nous faisons, c'est de doter de ces personnes-là en réalité des techniques et des, étapes à suivre pour devenir un meilleur orateur, pour devenir éloquent et surtout participer à des compétitions oratoires. Voilà nous ce que nous faisons. Mhm. Nous vous remercions euh, de votre visite au studio Kalango, euh, Monsieur Omar Moussa Nous espérons vous recevoir une autre fois avec d'autres thématiques. Passez une excellente journée. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Quant à présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire. Nous sommes lundi et nous allons parler justice, n'est-ce pas Oui, Samira, aujourd'hui, la rubrique justice est consacrée à la réglementation WACF. Ce n'est pas un acronyme, mais un mot. Le WACF en arabe et dans le droit islamique, une donation faite à perpétuité par un particulier à une œuvre d'utilité publique pieuse ou charitable ou à un ou plusieurs individus. Il est adopté pour garantir le respect des principes de la finance islamique. Issa Nouhou Moukela, directeur de la conformité des affaires juridiques à la haute autorité du WACF, explique la réglementation du concept au Niger. Il est au micro de Rafika Tahir. Qu'est-ce que c'est que le WACF Le WACF d'abord, c'est un mot arabe vient de l'origine, le verbe, c'est le verbe wakafa, qui veut dire se tenir debout ou s'immobiliser. Dans le domaine euh, de la finance islamique, lorsqu'on parle du wakf, c'est pour faire cas d'une immobilisation qu'un particulier peut faire ou qu'une autorité peut faire. Et cette immobilisation, c'est dans le sens d'utiliser le produit de l'immobilisation pour servir une cause noble. Donc en un mot, on immobilise un bien meuble ou immeuble, mais l'usufruit ou l'exploitation de ce bien-là doit servir pour atteindre une cause noble selon la volonté de celui qui constitue ce WACF-là. Quelle est la réglementation sur le WACF Alors, s'agissant de la réglementation sur le WACF, il y a principalement cinq textes. Mais la réglementation en tant que telle, il faut dire que le WACF existe déjà dans la pratique, dans tous les pays musulmans, ou disons dans la coutume musulmane. Et pour donner plein usage à cet instrument dans le cas nigérien, il y a eu un certain nombre de textes y ont été pris. Le premier texte, le texte fondateur, c'est l'ordonnance euh, numéro 2019-20 du 20 septembre 2019 qui fixe les règles relatives au WACF au Niger et qui est ratifiée par la loi 2019-49 du 30 octobre 2019. Donc c'est le texte fondateur, euh, l'ordonnance de 2019 qui a été par la suite ratifiée par la loi. Donc cette ordonnance-là fixe les règles de constitution et tout ce qui est l'aspect gestion juridique du WACF au Niger. Maintenant, pour donner écho à cette ordonnance-là, qui crée le cadre juridique du WACF, il y a eu deux textes qui sont intervenus par la suite sur le plan réglementaire. Le premier texte, c'est le décret d'application de l'ordonnance qui crée en même temps la haute autorité du WACF au Niger. Le décret d'application, c'est le décret 2020-136 du 7 février 2020, qui est le décret d'application de l'ordonnance. Mais en même temps, ce décret d'application prévoit une autorité administrative chargée, d'une part, de la gestion de ceux qui sont les WACF publics créés par l'État, et d'autre part, la supervision et le contrôle des WACF privés qui, eux, sont constitués par les particuliers. Donc, en gros, l'État a mis en place le cadre juridique, il a mis en place une institution chargée de la gestion des WACF que l'État crée. De même, cette autorité va superviser les autres types de WACF qui sont créés par les particuliers et l'État donne l'exemple en constituant le premier fonds WACF public. Quelle est l'importance de l'utilisation du WACF pour un pays Aujourd'hui, au Niger, euh, l'objectif c'est quoi c'est la renaissance culturelle, c'est aussi le développement économique. Donc pour dire en gros que c'est un instrument efficace dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Marquons une pause musicale et cette fois-ci avec l'hymne à la maman Oua de Emmaten Niger Hausa. Fanta Après cette pause musicale Fanta, on passe à l'écho des régions. Oui, Samira, direction Birnunkoni, région de Taon, pour parler assainissement. Dans le but de protéger les élèves contre certaines maladies liées au le service d'assainissement du district sanitaire de Birnunkoni, dans la région de Tawa, a interdit la vente de produits glacés dans les euh, établissements scolaires. Reportage signé Asuman Moussa Arzika. Kare yara ƙanana akan wasu cututtuka waɗanda ke da nasaba da wannan lokaci na sanyi shine ya sa ma'aikatar tsafta a babbar asibiti ta birnin Kwanni. Akan haka shugaban wannan ma'aikatar ya aza dokar hana sai da kayan sanyi irin su Apollo Galase ko Bambam Galase a cikin makarancin ne musawari Alinuhu shugaban ma'aikatar tsafta. a kiyaye da kayan sayi abin da ya shafi wani ban mangala sai wani ruwan sayi a daina saidawa a bari har lokacin ɗari ya wuce tunda ku masu sai da lalle kuɗi ko kaso amma kuna ba uwaye aiki tunda su sai sun koma dan magani muna ma galgadi bisa abin da shahi mushannin lakwalkin da saura da ya zama to yan tallan nan suna wajen to su dau mataki gidanka ba wani ke gyara ma shi ba kai ke gyara abinka su tsaida su bisa ga wannan sai da sai da ruwan sayi su bari har lokaci ya wuce ɗaya daga cikin daraktororin makarancin ne yana bayani ayyukan da suka rataya a su na kare yara ga ustaza sama'ila maman decision da likitoci suka ɗoka kan hana shigowa da kayan sanyi cikin makarancin ne kariya ce suka nema ga al'umma duk direktarkin da a cikin gari inda dai aka ce akwai recreation ya zan wajibi gare shi da kiyaye saboda yau idan an ce yaro suna da rashin lahiya kai director da kwal da kai da an san yankin class kuna a cikin lalura uwaye sun ba ku wannan yaran sun kawo su to ba su sani ba kuma an zo ana sai da irin bambo ana sai da wasu kayayyaki banda bambo ma akwai wasu kayayyaki misali wanda aka yi wanda za a sa tanka yaro da yawa za su zo mana da zancen ciwon ciki zancen majina da ciwon kai da sauransu kenan ni gani na deja abubuwan da ana ɗaukan matakai abu gudana ita al'umma ta kiyaye su san da cewa wa'annan yaran da a cikin makarancin ne yaran su ne diyan su na diyan kannan su na diyan yannan su ne diya ne na al'umma kenan a kare tunda abin da ka san baka yi ba a gida tunda sassahe cikin lokacin sanyi bai dace ka zo ka kashi makaranta ba A nasu bangare uwayen yara sun yi maraba ne da wannan mataki na ma'aikatar tsafta kamar yadda za ku shi ta bakin Sabi'u Abdu, ɗaya daga cikin uwayen yara da ke nan garin birnin Kwanne. mataki da likitoci suka ɗauka na kayan sanyi da ake ba yara matsayin mu na uwa yara mu gaskiya mun goyi bayan likita ɗari bisa ɗari a daina kaiwa don kaiwa nan ba alheri ba ce inda alheri ce mu da uwan yara mun yi kowa murna a kai muna roƙon Allah ya sa mai su kaiwa nan su yi haƙuri da kaiwa su bar kaiwa mu ba mu goyon bayan a kai kuma su sa ido su kula inda yaunin yaran nan duba su kansu yake don haka su hana kaiwa nan saboda hukuma in ta magana dole kowa zai barin abin da yake. Ita ko Maryam Idi ɗaya daga cikin masu saida abinci a a cikin makarancin da cewa ta yi a shirye suke da bin dokar ma'aikatar tsafta. Sai da ci maka cikin laukal wallahi mu wannan doka da an ka aza ta yi mana daɗi. Mu ubangiji Allah shi tabbatar mana da alheri ɗiyan mu na jikokin mu na haka muke so. Abun da muke so abun da an ka aza shi zama da alheri wasa kai gare shi. Doka duwar ta kama mana biyarta saboda doka dole na mutum shi bita babu da zai iya kauce mata. In mun ka kauce mata ina daɗi tunda mun mun ka yarda ta cuta ma ɗiyan mu da jikokin mu ai babu daɗi. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Il est 11h passé de 37 minutes. Attaquons la poche sport avec Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Fanta, bonjour Mira. Bonjour. Alors nous débutons cette page avec la deuxième journée de Super League. en ouverture déjà, les miniers de l'Urana FC confirmaient leur première victoire. L'Icefan suisse a lancé à Maradi chez Jean Gorzo Football Club. C'est avec la victoire hier soir au stade municipal de Niamey de l'AS Nigelec face à l'AS Police, un but à zéro a pris fin la deuxième journée du championnat national de football. Mais en résumé, voici les résultats de cette deuxième journée. Akokana FC contre Sahel, 1 à 0 en faveur du Sahel. Même score entre l'Urana FC et l'AS Douane en faveur des douaniers. Zongorzo FC contre AS Fan, 2 buts à 0 en faveur des militaires. Attawa, le JST a perdu sur le score de 1 but à 2 face à la Renaissance FC de Niamey. Victoire de Liberté FC, 2 euh, buts à 0 face au Tagour. Le champion en titre, l'ASGNN, a battu l'Espoir FC de Zander sur le score de 2 buts à 0. Olympique FC contre USGN, 1 but à 3 en faveur de l'USGN. Parlons à présent de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, Adam. Le Mali a battu le Maroc 1-0 en quart de finale ce week-end à Jakarta, en Indonésie. Les jeunes aigles affronteront l'équipe de France tombeuse de l'Ouzbékistan demain à 13h. Un peu plus tôt, l'Argentine affrontera l'Allemagne dans l'autre demi-finale. Rappelons quand même euh, qu'un remake euh, de la dernière finale à la Coupe du Monde 2022 au Qatar entre la France et l'Argentine est toujours possible. Eh bien oui, une revanche que les Français ont toujours sous la gorge mais souhaitons tout de même bonne chance aux Maliens qui restent la seule équipe du continent africain à ce stade de la compétition. Et c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye. Merci Adam. Chers auditeurs, la rubrique portrait d'aujourd'hui nous amène chez Hassan Zankou. Il est euh, il est atteint de surdité, mais malgré son handicap, aujourd'hui, il est chef de projet à l'Association des sourds du Niger. C'est après l'obtention de sa licence en gestion de projet qu'il a été embauché pour ce poste. Âgé de 35 ans, père de famille, Hassan Zakou rêve d'être parlementaire. Écoutons-le au micro de Habib Garba. Je suis né le 19 novembre 1988 à Niamey. Je suis marié, une femme et deux enfants. Je travaille en tant que responsable de prouver à l'association des sourds du Nevers, en parallèlement avec la Fédération nigérienne des sports pour sourds et Malentendus, et de mon intégration au sein de l'association des sourds du en 2019. Je travaille en tant que euh, secrétaire exécutif jusqu'à je suis arrivé au poste de responsable de formation dans le cadre d'un projet associatif. Je travaille pendant trois ans jusqu'à la fin de euh, ce projet. C'est notamment en 2022 que je suis arrivé au poste de surveillant de de au sein de l'association de Tour de Nevers. Quand à la Fédération nigérienne des sports pour tour et malentendants, c'est après l'assemblée générale électrifiée de la Fédération, comme allégué au poste de responsable de projet. Avant ça, qu'est-ce que tu faisais Avant, je j'étais étudiant à l'université Abdoumoul, à la faculté des sciences et techniques, au département de mathématiques, physique, chimie. Bon, à raison des difficultés, y le problème lié à l'apprentissage. Parce que là-bas, la qualité de l'apprentissage est un peu compliquée pour nous les personnes. jours. Du fait de l'absence de la langue des signes. Avec l'aide de la famille, on m'a amené à, une institution privée de la place, appelée IRMAG. Hein, là-bas, bon, je peux continuer mes études jusqu'à la fin de ma licence. Après, je me suis intégré au sein de l'association de tour. Maintenant, aujourd'hui, euh, comment ça se passe euh, le travail du chef de projet Je peux dire qu'aujourd'hui, maintenant, Alhamdulillah, c'est grâce à mes connaissances acquises dans le cadre de ma, formation académique. Parce que là-bas, j'ai étudié le management des organisations. C'est grâce à ça que j'ai pu euh, acquérir des connaissances permettant hein, d'occuper ce poste. si tu peux nous parler des difficultés que vous rencontrez euh, comme chef de projet. Comme tout poste. Hein? rien facile. Chaque poste a ses difficultés. Dans ma qualité de chef de projet, aussi, je rencontre beaucoup de nos difficultés. Premièrement, l'organisation avec laquelle je travaille hein, manque de moyens. Notamment. Moyens financiers Oui, les moyens financiers. Avant, euh, l'État accorde des subventions à chaque association pour son fonctionnement. Mais maintenant, les subventions sont presque disparues. Parce que les responsables de projet occupent un poste d'exécution. Cela veut dire chaque fin du mois, doit être payé. Mais contrairement à la situation de retour, on travaille en qualité de bénévole. En tant que tour, il est de notre devoir de supporter les associations. Ah, c'est ça. La deuxième difficulté réside dans la communication avec les partenaires. On manque d'interprète. Notre seul interprète spécial est aussi le directeur de l'école pour sourds des C'est ça, c'est la base de, de difficulté que nous rencontrons actuellement. La troisièmement, c'est que les membres sont analphabètes. Parfois, même si on nous amène des documents stratégiques sur le privé, nous ne pas, ils ne pouvons pas lire il va falloir de faire des répétitions et des répétitions, des répétitions pour leur expliquer, expliquer, expliquer, expliquer. Ça. Euh, on manque de staff. À la situation de tous les suis le de preuve. Et je travaille avec le président. Euh, des rêves vraiment que vous avez pour vous-même et pour euh, votre structure. À jouir pleinement de ce droit civique et à devenir un acteur de développement par la promotion du droit des personnes tour Bien que l'État du Niger a ratifié la Convention sur le droit des personnes handicapées, mais beaucoup de faux restent à faire pour la pleine jouissance de nos droits. Toi, personnellement, quels sont tes rêves alors Qu'est-ce que tu rêves vraiment d'occuper de, après ce chef de projet oui. Mon rêve, c'est de devenir un acteur de développement. Mon véritable rêve, c'est d'avoir une place au gouvernement, notamment à l'Assemblée nationale, en tant qu'élu du peuple, pour pouvoir euh, défendre et promouvoir le droit des personnes handicapées en général et des personnes sourdes en particulier. Merci Abibou. Ce n'est pas tous les jours que nous faisons ce genre de rencontres très inspirantes. Chers auditeurs, pour notre toute dernière balade en musique, nous vous proposons Zamani de Maliarou. Zamani de Maliaro, c'est l'heure du loti du jour. Et dans la chronique d'aujourd'hui, on parle des préjugés envers les personnes. Rekia Arimi et Famta Shamsou euh, nous entretiennent sur le fait d'avoir euh, des jugements hâtifs envers une personne. Affairage, affairage, affairage, Hamsu, Hamsou, Quoi encore Regarde la dame là. Comment peut-on s'habiller et sortir ainsi On dirait qu'elle n'a pas de parents à la maison. Hmm, et des cinq. Hamsou, tu es sûr ça va Depuis là, je te parle et au lieu de me répondre, tu comptes. D'ailleurs, qu'est-ce que tu comptes même je compte le nombre de fois que tu juges une personne dans la rue, juste en la voyant. Tu ne fais que ça depuis ce matin. Tu juges, tu juges, tu juges. Ça suffit, Mana. Juger Je ne juge pas, Wallahi. J'ai dit juste ce que je vois. Hmm. D'abord, c'était une femme qui rentrait dans un bar. Et juste pour ça, tu l'as traitée de prostituée. tout si elle n'est pas prostituée, qu'est-ce qu'elle va aller faire dans un bar Acheter à manger, par exemple, il y a des bars qui offrent des très bons menus et qui font des très bonnes bouffes. Hey, une bonne femme n'entre pas dans un bar et puis c'est tout. Ensuite, il y a mon collègue que nous venons de rencontrer. Juste parce qu'il porte des locks, tu penses qu'il fume ganja. Hum, hum, hum, Arrête de modifier ce que j'ai dit. Toi, qu'est-ce que tu as dit Moi, j'ai dit que s'il ne fume pas ganja, c'est qu'il est fou. Parce que s'il n'était pas fou, est-ce qu'il allait laisser ses cheveux pousser comme ça hmm. C'est justement cela qu'on appelle avoir des préjugés, Kadi. Roger, c'est une très bonne personne. Combien de fois je dois te dire qu'elle n'est pas partagé les mêmes valeurs, la même vision ou les mêmes points de vue que la personne ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Avoir des préjugés, c'est vraiment très mauvais. Préjugés quoi C'est quoi ça encore Toi en train de parler gros français là toujours. Hmm, hmm. Kadi, ce n'est pas gros français. Un préjugé, c'est avoir des idées préconçues, c'est faire des suppositions sur une personne par exemple, sans prendre le temps et le soin de la connaître. En gros, c'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. Hé, moi je n'ai rien fait de tout ceci. C'est ma nature. Quand je vois une chose, je parle. Pia. Kadi, tu peux parler autant que tu veux. Le seul souci, c'est de juger. Avoir des préjugés, ça t'empêche de voir la beauté qui se cache en chaque être humain. Imagine si on laissait nos préjugés nous dicter comment percevoir le monde. On passerait à côté de tant de merveilles. Hey, moi, je fais juste partie de ceux qui se fient à leur première impression. Première impression qui est souvent très fausse. Tu te rappelles la dernière fois que nous sommes allés au marché, tu as mm. juste vu une dame qui t'a regardée et tu as dit qu'elle ressemble à une sorcière Waymayati, mm-hmm. qu'elle voulait te manger avec ses yeux. Et quand elle s'est approchée, tu allais même fuir si je ne t'avais pas retenu. Mais lorsqu'elle s'est présentée, tu as toi-même compris que c'était juste une cousine à ton mari que tu ne connaissais pas encore. Mm-hmm. Tout c'est vrai. Je me suis trompée. Mais juste cette fois-ci-là. Hey, Kadi! Juste cette fois-ci, faut avoir peur de Dieu. Hein. Toi, tu te trompes presque tout le temps. Tiens, la petite soeur de ta voisine Zara, que tu traitais de débauchée, parce que tu la voyais traîner avec ses amis dans le quartier. Tu jurais qu'elle n'allait pas avoir le bac. Elle l'a eu ou pas Elle l'a eu, wallahi. Et ce n'était pas la seule fois. C'est devenu une habitude pour toi sans même que tu ne t'en rendes compte. Wallahi, c'est vrai. Maintenant que tu me parles, je me rends compte à quel point je suis remplie de préjugés. Mais qu'est-ce que je dois faire pour les éviter C'est très simple, Kadi. Prends le temps de te remettre en question. Tu dois aussi arrêter de faire des jugements hâtifs. Apprends à connaître les personnes avant de tirer des conclusions. Chaque petite action compte. Si chacun de nous fait un pas vers la compréhension et l'ouverture d'esprit, nous pouvons changer beaucoup de choses. Wallahi, tu as raison, Hamsou. Je m'y mets tout de suite. C'est juste que parfois, c'est tellement facile de se laisser emporter. C'est tout à fait normal, Kadi. Personne ne dit que c'est facile, mais ça en vaut la peine pour ta propre santé mentale même. Hamsou, merci de m'avoir ouvert les yeux sur ces sujets. Dieu te bénisse. Amen. À présent, passons à la rubrique culture linguistique en français et en anglais. ça sera avec Jacqueline Dalton, responsable éditoriale de la Fondation Hirondelle. Et aujourd'hui, elle n'est pas seule. Bonjour, Jackie. Hello and welcome. Bonjour et bienvenue. Today, I'm visiting a brother of Studio Kalangu. Aujourd'hui, je visite un des frères de Studio Kalangu. I'm in Madagascar. Je suis au Madagascar et je suis à Studio Sifaka, qui est aussi, tout comme Studio Kalangu, un média créé par la Fondation Hirondelle. Et je suis avec un de ses journalistes, Angelo. Hello, Angelo. Hello, Jacqueline. Bonjour, Jacqueline. Je suis Angelo Malalanienne. A very interesting thing, une chose très intéressante, est le fait que la langue malgache a été influencée par beaucoup de différentes langues, en fait. Oui, c'est exact. La langue malgache a plusieurs influences, euh, à commencer par la langue bantou, euh, qui vient d'Afrique. Euh, nous avons aussi une influence du mot arabe une influence swahili qui est parlée sur la côte ouest de Madagascar et des influences indonésiennes, malaisiennes et surtout européennes. Donc ça montre à quel point le pays est vraiment une, euh, a été influencé par plein de cultures différentes et ça se sent, c'est intéressant même dans l'architecture et c'est vraiment un mix de différentes influences. C'est exact. Dans une même phrase, nous avons euh, quelques mots venant de ces cultures. Tout à fait. Alors parlons spécifiquement comme on est dans la rubrique, anglaise, parlons des mots en anglais justement. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples mm-hmm. Alors, euh, les exemples que je vais vous donner aujourd'hui viennent des sont des noms de fournitures de bureaux et des fournitures de classe, euh, à savoir pencil. Euh, chez nous, à Madagascar, nous disons pehicili. Ok, donc c'est un mot similaire. Pencil, en français, c'est Crayon. Et ensuite Nous avons également pen de l'anglais et à Madagascar, nous disons penina. Penina. Donc pen, ça veut dire stylo. Stylo, exactement. Alors nous avons un autre exemple, euh, school en anglais, qui est sekouli en malgache. D'accord, donc c'est une prononciation légèrement différente. Et school, en français, c'est école. École, voilà. pour récapituler ces trois mots en lien avec l'école, on a pen qui veut dire stylo, pencil qui veut dire crayon, et school qui veut dire école. C'est bien ça. Et ensuite, quoi d'autre euh, nous avons aussi euh, le mot son, euh, qui veut dire fils, oui, mhm, qui vient du mot anglais fils. Euh, que nous utilisons dans notre nom et qu'on rattache à la fin du nom euh, malgache, à l'exemple de Son. Rabé est le nom malgache et son vient du mot fils en anglais. D'accord. Et tout comme notre collègue qui s'appelle Harrison, en fait, Harry, c'est le même mot à la fin, c'est son, donc fils. Fils de Harry. D'accord, ok. <laughs> ben merci, c'est très intéressant et ça nous donne une petite euh, fenêtre sur la culture malgache et, l'histoire malgache aussi. Voilà. Euh, donc, Angelo, je te remercie de ton temps. Et juste pour rappeler, today's English words, les mots en anglais d'aujourd'hui, étaient pen, pencil, school et son ». Until next time, à la prochaine. Merci Jackie pour ce petit voyage à Madagascar. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et oui, Fanta, et je te rappelle que dans cette émission, nous donnons également la parole à nos auditeurs. C'est la possibilité euh, de donner leurs avis sur nos productions et de faire des suggestions. écoutons les messages de nos auditeurs. sunana Suleiman Talaji Ibrahim wanda ke sani da Suleiman dan minista ɗin Nijar mazaunin birnin Sabah a ƙasar Libya. eh dangance da shirye-shirye da ake watsa na Studio Kalangu, to gaskiya ni abucin shirye-shiryen Studio Kalangu ne na jima ina bibiye shirye-shirye na Studio Kalangu sannan kuma ina jin daɗin su musamman ma shirye-shirye guda uku da suke yi. Shirin kiwon lafiya, shirin ilimi sannan kuma da shiri na na wayar da kai na matasa. To a gaskiya wannan shirye-shirye da ake yi abubuwa ne masu muhimmanci sai dai muna so studio kalangu ta tsara yadda za ta yi don tallafa ma matasa musamman yadda ake kokarin a ga matasa sun gusa daga inda suke e, ta hanyoyi kamar haka kamar e, masu wani gurfaman ko wani fada ko wani club ko wani association ya kamata a dinga aiki tare da su bayan wannan kuma idan wani proje haka ko wani ong ya zo gaskiya kamata studio kalangu tunda mun san aka zo ita sa a nema ita san inda matasa suke to ya kamata ta wannan hanyoyin ta dinga bibiya tana samun matasa tana saka su a cikin wasu harika wanda matasa za su samu su dogaro da kansu lalle akwai matasa masu hazaƙa wanda suke kokarin su ga sun kauce dama ce ba samu ba ya kamata a dinga jarraba matasa ta irin wannan hanyoyin muna jin daɗin shirye-shirye sosai sosai Allah ya kara hazaƙa sannan kuma muna fata ku mu ya kai ga inda ya dace ina gaida mamman sani dauda ciwanza akwai ilwata zariya girmala akwai jamila shari'a akwai shugaba rabami aski Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Samira Rouafi et moi-même Fanta Chamsou. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. À la technique, c'était Issa Lawali et les deux grandes dames Adama Dawaki et Raïla Toussoumana étaient à l'édition. Ne manquez pas nos éditions du journal à partir de 17h sur les ondes de nos radios partenaires. Excellente journée à vous et à bientôt.